bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous d'abord à nos auditeurs. Je suis madame Traoré Salamatou, la présidente de l'ONG Dimon, qui veut dire dignité un peu. C'est une ONG de santé de la reproduction pour une maternité sans risque. D'accord. Alors parlez-nous de la fistule. Qu'est-ce que c'est La fistule euh, obstétricale ou génitale, comme nous l'appelons, c'est une communication qui s'effectue lors d'un accouchement difficile entre la vessie et le vagin ou entre la vessie, le vagin et le rectum. Donc, euh, c'est une communication donc anormale qui rend la femme très vulnérable avant qu'elle ne trouve la solution à son problème. Et c'est une communication, quand la femme contacte cette fistule, socialement est désocialisée. Donc euh, elle dégage une mauvaise odeur, du fait évidemment des matières fécales ou des urines, mais aussi euh, une perturbation de tout son système de santé. Donc sur le plan mental, c'est une femme qui est touchée. Pour elle, euh, elle ne sait pas ce qui lui arrive. La plupart, ce sont des jeunes filles ou euh, des femmes qui ont plus de 4-5 accouchements, qui pour elles euh, ne devraient pas avoir de problème pour les secondes. Et pour les premières, c'est comme si elles ont, on leur a envoyé un mauvais sort. Et c'est ça qui les conditionne dans cet état subite qui leur arrive. Parce qu'elles n'ont pas, parfois, même pas vu leur menstru et elles passent de la situation d'enfant à une situation euh, de rejet, d'exclusion. Et cela les amène aussi, euh, à part les, problèmes, les troubles euh, mentaux, à avoir une stigmatisation au niveau de la population. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ça se complique Est-ce un manque de suivi prénatal ou... Effectivement, euh, c'est d'abord un manque euh, d'accessibilité aux formations sanitaires. Ensuite, le suivi médical qui n'a pas été effectué et l'accouchement qui ne s'est pas effectué avec un personnel qualifié. Donc, euh, et aussi l'ignorance, parce que souvent elles ignorent que euh, si elles ne vont pas accoucher, elles vont avoir des problèmes. Si elles ne vont pas accoucher avec un personnel qualifié, elles vont avoir des problèmes. Donc il y a l'ignorance. Il y a l'analphabétisme aussi, parce que ce sont souvent des petites filles qui n'ont même pas été à l'école, ne savent ni lire ni écrire. La plupart, hein, j'ai dit. Et du coup, euh, ça engendre évidemment les conséquences qui sont euh, l'aboutissement à la fistule obstétricale. Donc, euh, une question. quelle est la femme qui est le plus exposée à la fistule Bon, euh, d'abord... j'ai cru comprendre, selon ce que vous venez de dire, que même au-delà de quatre accouchements, on peut contracter la fistule. Bon, le premier âge, c'est surtout celles qui ont 15-19 ans, c'est-à-dire lors du premier accouchement. Le second, c'est celles qui ont eu plusieurs maternités multiples et rapprochées, comme je dis, et qui n'ont pas euh, pris en compte la fragilité de leur organisme, qui, banalise la maternité. Et pour elles, euh, ça s'est passé normalement et à chaque fois, ça va se passer normalement. Or, elles ne comptent pas avec les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète, avec les gros fœtus et ce deuxième groupe euh, est concerné par ce phénomène. Merci beaucoup, sauf si vous avez autre chose à ajouter. Oui, euh, je dirais que la fissure obstétricale euh, est, une négligence de notre communauté. Tout le monde est responsable. Pourquoi Parce que la prise de décision ne se fait pas à temps. Quand la femme est en travail, on dit souvent, euh, il ne faut pas que le soleil se lève deux fois sur la femme en travail. Sinon déjà, la fistule est créée. Le manque de prise de décision, souvent, c'est la pauvreté. Ils se disent, euh, on va attendre, on va attendre euh, l'évacuation, va un peu se faire dans les, les, moments, alors que ça se complique davantage et elles n'évacuent pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pris en compte le temps du travail. Le fait qu'elles n'ont pas fait de consultation, qu'on leur dise le pronostic, qu'elle va accoucher normalement ou pas. Le fait également qu'elles ne savent pas que la fistule peut venir. Et à part la fistule, les autres complications, à savoir l'handicap, parce que souvent euh, elles sont handicapées. Il y a la mort aussi suite aux infections. Il y a également euh, beaucoup d'autres facteurs euh, au niveau de la société, le rejet, le fait qu'elle n'a plus de mari et le fait qu'elle ignore si elle peut guérir. Or, actuellement, nous avons... y beaucoup de chances de guérison en cas de la, chances de guérir Beaucoup de chances de guérir si elle arrive, euh, premièrement, à accéder aux formations appropriées d'urgence. Si même elle arrive à avoir la fistule, il suffit de prendre des soins appropriés euh, dans les formations sanitaires par euh, la pose d'un cathéter pour évacuer la vessie, qu'elle puisse se cicatriser d'elle-même. Mais si elle est compliquée, il y a aussi la chirurgie réparatrice où actuellement ils ont beaucoup de succès. Donc, euh, mais l'accessibilité aux formations sanitaires pose problème. Parce que souvent, les véhicules en, milieu rural ne prennent pas ces femmes. Dégagent une mauvaise odeur et puis aussi euh, le, véhicule risque d'être sali et l'odeur qui se dégage, les, les, transporteurs ne les prennent pas au sérieux ni en charge aussi. Donc euh, guérir, oui, elles guérissent, beaucoup guérissent. Et nous arrivons à avoir un, pourcentage élevé, je ne peux pas le dire parce que euh, le DSN qui est en cours va nous le préciser. Il y a longtemps qu'on n'a pas de données là-dessus.